صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار Banque islamique du Sénégal ak association Jamaatun Nour As-Sunniya Ajana ak société Ajana énergie SA dal nañu fësal xaatimuk benn convention jëm ci cadre financement gëñu ñu xayma ci ñaar fukk ak ñetti milliards ci suñuy koppar ñu war ko def ci yu liggéeyub grande mosquée bu Tiwaawan ak it jàppandaluk parasol mécanique yi ak it centrale solaire photovoltaïque di liggéey bu ñu appal ci téeméer ak ñaar fukki weer boole ceeg di ñaar fukki ak ñeen en tant que président du comité de pilotage, l'association étant dirigée par la général lui-même et le comité d'initiative étant constitué par les éminents membres de la famille de Sidi Haj Maliki. Cette association a été mise en place dans le cadre de l'achèvement des travaux de la grande mosquée de, de mais avec un objet et des objectifs qui, dépassent ce, projet. Khatim Gili, Nikodef, Di Mohamed Madana Ken, directeur général bu banque islamique du Sénégal ak di Mohamedou Mactar Cissé président du comité de pilotage bu association jamaatu Nour as-Sunniya ci Mansoursi Serigne Mansour Sidabar, ci général de Tidiane Serigne Babacar Mansour waaye mu Andi Mam Serigne Mam Ousmane Si Habib Serigne Mansour Djamil Serigne Abdul Hamid Si ak meeru ville bu Demba membre l'association Adiana directeur général du banque islamique du Sénégal di ñu présenter convention euh, ce partenariat tourne principalement autour de trois de trois axes trois projets d'envergure portant respectivement sur la construction de la mosquée l'acquisition de parasols euh, dans le cadre de l'aménagement de l'esplanade et enfin la construction d'une centrale solaire de 10 MW destinée à assurer l'alimentation en énergie des différents édifices. Le montant global euh, accordé par la Banque islamique du Sénégal pour le financement de ces projets est de 23 milliards de francs CFA. C'est l'occasion pour moi de saluer et de féliciter nos partenaires pour le caractère innovant de la démarche cette démarche est innovante dans la mesure où elle s'appuie sur des contributions des talibés et sur les revenus qui seront ultérieurement issus de, de l'exploitation de la centrale énergie comme levier de mobilisation de ressources pour accélérer le financement et accélérer la construction des différents édifices. C'est à ma connaissance la première fois au Sénégal et dans la sous-région qu'une approche de financement structuré, parce que nous sommes dans une approche de financement structuré, est adoptée pour financer un projet d'intérêt social et religieux. Habituellement, c'est les talibés qui contribuent et on va construire une mosquée ou bien on lève une dette. Mais c'est la première fois à ma connaissance qu'au Sénégal et dans la sous-région, ce qui traduit le caractère innovant de la démarche, qu'une association comme la vôtre vient lever des fonds en mettant sur la table les contributions des talibés, accélérer euh, la construction des édifices et assurer le remboursement par des ressources qui vont émaner de, l'exploitation du projet et des contributions des talibés. C'est une approche innovante que nous saluons et que nous, nous, accueillons favorablement. jàppandaluk financement yile, lée ñu ngi ko daal di tënk ci ñaari pàcc di muraabaxa ak istisna nekk ñaari produit yuy qui finance islamique. C'est l'occasion de préciser que les instruments qui ont été utilisés pour le financement de, ces différents projets sont des, instruments qui ne souffrent d'aucune contestation au, niveau des différentes écoles chariatiques. Mm. Euh, je parle aussi sous le contrôle de notre chef de service conformité islamique. Mm. Les produits qui ont servi au financement de, ces projets sont l'istisna mm. et la murabaha donc des produits 100% conformes à la finance islamique et qui font l'unanimité. banque islamique ak jamaatu Nour as-Sunniya boole nañu seeni dolé ngir bi Le modèle économique donne exemple bu ñu war le roy ci financement borobudinei, diiné yi rawatina mu samonté ak principe yi tënk le finance islamique C'est Mansour Sourci Djamil ak par martar du diko ko xam nga ñetti éthique solidarité et innovation Ici, gagne en importance moi innovation parce que la question qui se pose pour une banque islamique du c'est la question fondamentale Il faut jëlee les ressources nécessaires pour payer ces gens-là c'est une innovation et c'est ça qui est important pour la banque islamique le fait de financer un développement euh, sans intérêt c'est déjà une innovation innovation le financement d'une centrale solaire centrale solaire déjà c'est une innovation dans une innovation c'est le couronnement de toute une vie où j'ai travaillé au sein d'une institution financière sans intérêt et cette institution financière accompagnée de Mohamed Ali ba au Fonds monétaire international même à la Banque africaine de développement, dans la Banque, mondiale, tu vois, parce qu'ils ont été séduits. Comment se fait-il que nous à l'intérêt de cette banque du marché Et le Fonds monétaire a étudié en profondeur le mode de fonctionnement de la Banque islamique de développement et dépassé l'AEBA, ahalallahu al-bay'a wa haramarriba. Quand nous a une innovation, ñu ko yore di ay intellectuel xam ne jamono dafay dox il faut nga dox sa doxinu jamono pour mën a dëppook sa jamono bala la temps bii raw ndax dafay dox lu gaaw a gaaw ñu gis ne jaadu na rafet na ñu signé ay convention ak institut islamique boo xam ne bii ci wàllu finance lay yëngatu ndax itam xaji maxtaar wax na ko sànq maam Cheikh Alxaji Malik ku bàyyi woon yàlla xel la demoon na ba lekkatul yàpp xar ndax de wóoluwul ki koy defar bàyyi woon na naan soow ndax wóoluwul gàtt bi rëcc na sàmm bi dugg ci toolu jàmbur lekk fa benn ngooñ maam Cheikh El Hadj Malick nee na mun naan ca meew ma xamul nan la koy layyee ci biir bàmmeel kon moom bàyyi woon na yàlla xel al bankul islam yi nag ñi ko Hadj Mansour waxee sànq ak gëstu yi ñu ci jot ak dafa kës néew xam nañ ne ñi ngi koy doxal te teguwul ci riba te riba moom baaxul sëriñ Hadi nee na moytul riba ci alal riba dafay hayibal soo moytuwul dana dal te kon nga nërmeelu yàlla nee na alladina la yakuluuna riba لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نينا كيب كوي دوند ايزور اك ربا بوي ديك سي سا بير بامل دا ngay مل نك جين صد دا ngay ساي كون ربا باخول كون بو بو نيوي اندك بانك بو خامني من نانيو فينانسيل بروجي بي تي ربا امو تي يون كون دا نيو واخني الحمد لله رب العالمين رامبورسمون بيلي فينانسمون بي توكي سي سنترال بي كوتيزاسيون يي subvention yi jóge ci mbokki taalibe yi jëm ci jumaa ji ci wàllam association jamaatu nuur as-sunniya daal di lëkkale seeni doole ngir mën a taxaw gën a yokk collecte bi maanaam daje lépp lépp lu jëm ci wàllu don ak jàppandal subvention ak cotisation ngir mébét gi mën a antu loolu yembook ak li sëriñ Abdul Hamid Si ak Mohamed Madana kan jiitu BIS di ñaax beaucoup que la banque islamique en finançant ce projet a misé aussi sur la qualité des talibés puisque nous, nous sommes convaincus que la collecte va continuer, puisque ce financement a été accordé en misant sur l'avenir, en misant sur des fonds qui seront collectés à l'avenir. Donc notre objectif, c'est de mettre en place les fonds pour que les constructions aillent vite, euh, en espérant que les, que les talibés continueront la démarche qu'ils ont choisie depuis le début de domicilier leur contribution à la Banque islamique du Sénégal. Mm-hmm. Et donc, nous, nous intervenons pour faciliter euh, la construction des édifices à titre d'instruments de, levier. Donc, nous, souhaitons vraiment euh, insister là-dessus pour que, pour que toutes les démarches qui ont été accomplies jusqu'ici et qui ont permis euh, au compte ouvert dans la Banque islamique du Sénégal d'accueillir depuis quelques années maintenant toutes ces contributions puissent continuer à, être accueillies et que, le, financement puisse se dénouer dans les meilleures conditions possibles. banque islamique du Sénégal yépp yombal la boo xamante ni dana tax mu gaaw ngir dabu yéene bi nga xamante ni moom la képp ku nga xamante ni am nga ko war koo def ci jumaa ji loola mën a dajaloo ñëw fekk ci facilité yi nga xamante ni banque bi accordé na ko cérémonie fesalub xaatim gile ci yi grande mosquée bu Tiwaawan ñu ko tëjee ak ñaanu Serigne Mansour Sy Dabakh ñu ko directeur général bu banque islamique du Sénégal ak personnel am itam ñaan ngir yalla motel yéene ci jàmm ak salam sant yalla ne ko alhamdulilahi hadana bi hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah ndax yalla mo ñu gindi inspiré serigne Babacar ba serigne Babacar wo len yeen ñep wo ñu ci bi. te defe naa doon na liggéey boo xam ni ku ci yàlla baaxee nga dugal ci sa loxo yàlla mal na la yiw yàlla dina la ko fay masalu ladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habatin wallahu yudaa'ifu liman yasha yàlla nee na ku def sa ci projet yu mel nii seen xaalis mi ngi mel ne ku jël benn graine sànni ko ci suuf jamonoy nawet yàlla nee na maa koy sauvegarder sàmm ko graine boobu dana yëkkati sept épis juróom-ñaari graines. Il bu nek dana def 700 graines mu nek graines ci benne graine yalla doubler ko multiplier mu graines suma nexe sax ma gën ko élargir euh, ful ko ba mu upp fouf lolu yalla lolu lolu lay euh, mom lay misalé ñi jël sen alal diko def ci lo dafa utilité nationale publique surtout pour euh, xeex lépp lu di ignorance ak euh, pour le développement des êtres humains te lii ci la bokk kon nag y a yàlla nangul ñu jàng fatiha salatul fatiha yal na yàlla barkeel sa banque bi euh, waaw waaw Yalla jàppale la sutural la nek sa précurseur xàllal la yoon wi yak mbokk yu tedd yi nga andal góor ak jigéen mag ak ndaw الحمد لله الحمد لله رب الواهب النعم فما وبعد عامين والشهرين شوق له صدر وفي البعث والإسرائيل الشهر سيد العظيم لنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الوالد